président Macky Sall na nga la constitution président Macky Sall élection de koy par force avant le 2 avril avant le 2 avril, il y aura des élections. Il faut respecter la décision du Conseil constitutionnel. Par force, De Gaulle de au, au peuple français, français debout pour le combat. Nous nous disons au peuple sénégalais, sénégalais debout pour la défense de la démocratie, pour la défense des libertés individuelles et collectives, pour la défense de la liberté, liberté individuelle et collective, pour la défense du conséquence des élections kon nag président Macky Sall na xamné ne egg nañu paasam jeex na le 2 avril lay pas di jeex mu wàcc bis bi un candidat yé ñu jox ko caabi Sénégal jëm kanam sénégalais démocratie lañu bëgg moo tax ñuy wax président Macky Sall à la yi à fo mu jaar 2 avril foog mu wacc bis bi keneen yéeg ci bis bi dawal ko sénégalais lool la xaar parce que loolu moy démocratie dañu nek ci rew mo xamné ne Macky Sall lañ ko denk ci ak mu def fi fukki at ak ñaar ñu wara d'Élo, delloo yi ñu fal suffrage universel population bi ñoy souverain ñoom ñoy jël alal jël sen kaddu jël sen kattan joxu serviteur la warul

li gën a am importance mooy que 2 avril Sénégal tabbi ci yeneen loxo ci jàmm ak salaam maanaam président Macky Sall jeexal dem ñu nekk ci yoon wala mu fekk ñu tabbo ba pare ki koy wuutu loolu mooy li ëpp solo euh, li ñuy wax ci am ni sibi euh, amul ay wax jaxanda parce que ñoo xam ne yaa décidé seen bopp téye leen toog ba si yàgg na danga leen di bàyyi euh, ba di ci ëmbaale ñoo xam ne dañoo def yu ñaaw Euh, kooku xam nga day divi day day day jaaxale day jaaxal nit ñi parce que am na ñoo xam ne seen doom ak seen i njaboot gaañu nañ ci am na ñoo xam ne ña ngi ca kaso ba léegi su ko defee te ñoo ñëpp suñuy njaboot lañ su ko defee lan la ñu war a def dañuy dañuy wax waaw wala dañuy wax déedéet moo tax ñu waxee ko foofu ne yàq bu naqadi xam ne moom moo ko sumb moo ko fóot na ko bàcc ba mu set wecc te ñun mu may suñu jàmm ñun 2 avril mooy suñu liggéey. en tant que femme d'abord on On va célébrer la femme au mois de mars. On est là en tant que femme pour défendre nos droits. C'est la parité maintenant. C'est la parité. Hommes et femmes, tout le monde a le droit de défendre ses droits. Je, ne crois pas à la loi d'amnistie. Il y a trop de mal. Le Sénégal a subi beaucoup, beaucoup de mal. Ça sera trop facile de pardonner comme ça, dans le vide comme ça. Il y a la famille des victimes qui sont là. Les gens ont piétiné le Sénégal. Il y, en a trop de mal. Il y, il y a trop de mal. Les gens ont souffert entre 2021 et 2022. Il y en a trop de mal. Il faut que justice soit faite. Après, si on votera la loi, on va voter. Mais il faut que justice soit tracée d'abord. Le peuple sénégalais est un peuple bien éduqué, un peuple donc croyant, un peuple respectueux de son pays, de sa patrie. Donc, on a, comme on l'a vu depuis 2021, avec toutes les manifestations qui ont eu à se passer ici, donc le peuple, quelle que soit la situation, le peuple a eu à respecter les décisions de justice. Donc on, sait toujours, on a toujours eu confiance donc, à notre justice. De toute façon, on sait que le Conseil constitutionnel, Inch'Allah, donc, ne manquerait pas à trouver la solution idoine. Donc comme on le sait, donc, on attend. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je pense qu'on a toujours resté donc, un peuple vraiment d'une grandeur euh, donc immense, on le restera. Et au cas où euh, voilà, ça risque de prendre une autre tournure, je pense que les autorités compétentes donc, vont prendre la décision qu'ici pour essayer de réinstaurer ce pays dans la paix et dans la calme. Donc réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu